Messieurs, dames, euh, bonsoir. Il est 18 heures euh, passé de 15 minutes. Euh, merci d'être à l'écoute du studio Kalangu. Cette page horaire est consacrée au forum, un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Comme chaque vendredi, ce forum est consacré au décryptage des faits et ayant marqué l'actualité de la semaine avec euh, nos confrères de l'audiovisuel, de la presse écrite et ou en ligne. Nous recevons ce soir euh, Jafar Maman du journal euh, L'Indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Murtala Mamadou du journal La Griffe. Bonsoir. Bonsoir. Et Sekouberi Ibrahim, journaliste à la Voix du Sahel. Bonsoir. Bonsoir, madame à la présentation Rahilato Soumana. Avec nous, nous allons aborder tout d'abord euh, les affaires en justice, euh, à savoir euh, l'affaire du président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, Amadou Jibou Ali Max, dont le délibéré du jugement est attendu la semaine prochaine. Une autre affaire similaire, c'est à Agadez avec euh, l'acteur de la société civile Abdraman Insar, membre du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme jugé hier et le verdict attendu le 8 juin. Il s'agira aussi du journaliste euh, Baba Alpha du groupe de presse Bonferrey et son père en prison depuis bientôt deux mois dont l'accusation a été modifiée. Ils sont à présent poursuivis pour usage de faux. Leur procès serait fixé au 16 juin au tribunal de Niamey. D'autre part, l'affaire bébé importé refait surface avec le placement en détention cette semaine des personnes impliquées. Nous aborderons aussi la question de la révision de certains articles de la Constitution du 25 novembre 2010, demande transmise à l'Assemblée nationale par le gouvernement la semaine dernière. Nous resterons toujours à l'hémicycle pour aussi discuter d'une autre requête du gouvernement s'agissant de la levée d'immunité d'un député national et de la mise en accusation de deux anciens ministres dont on ne connaît pas encore la conclusion jusqu'à la clôture des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2017. L'aspect sécuritaire portera sur l'insécurité qui s'installe dans la région de Tilaberi avec la récurrence des attaques contre différentes positions des forces de défense et de sécurité dont la dernière remonte à mercredi. Enfin, en sport, nous reviendrons sur les performances du MENA à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans U17 ainsi que sa qualification au mondial de la même catégorie qui se tiendra en Inde en octobre prochain. Je l'annonçais, l'Assemblée nationale a procédé le mardi 30 mai à la révision de certains textes électoraux, notamment six articles de la Constitution du 25 novembre 2010. Les députés l'ont voté à 139 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Cependant, ceux de l'opposition ont boycotté les travaux de la plénière Murtala. Selon vous, quel intérêt a révisé la Constitution sept ans après son adoption Oui, et tout texte, le texte qui régit euh, euh, la vie d'une nation, de mon point de vue, euh, peut être amenée euh, à être révisée si on constate certaines, certains décalages ou bien dans le, contenu du texte. Il s'est avéré que lors des, derniers scrutins, les dernières élections générales, il y a eu un constat qui était unanime parfois de, des écarts entre les textes, les dispositions de la Constitution et, les textes de loi qui encadrent les, organisations des élections. Donc, euh, initialement, c'était cela qui était mis en avant. On voulait pouvoir mettre en conformité ces différentes dispositions pour régler et éviter les, problèmes qu'on a connus en 2016 mais euh, je crois que j'ai vu malheureusement le politique euh, s'y est trop intéressé. D'une part, certains voulant faire passer certaines révisions qui, euh, de mon point de vue, ne seront pas opportunes, et de l'autre côté, l'opposition qui peut-être s'est rendu compte de sa minorité au sein du Parlement a décidé de s'absenter de ces débats qui, de mon point de vue, sont quand même assez importants. Donc, sept ans après, oui, même deux ans après, on peut sentir la nécessité de réviser un texte. Comment expliquez-vous euh, que c'est maintenant seulement qu'ils veulent le, réviser alors, euh, que ce soit maintenant seulement, je crois que c'est au cours des, derniers scrutins en 2016, ou en début d'année 2016, que l'on s'est rendu compte de la difficulté d'appliquer les textes en l'état. Alors, euh, que, peut-être ça n'a pas été fait au cours de l'année 2016, peut-être parce que ça prenait un temps de préparation. Donc, en 2017, on introduit ces différentes euh, euh, révisions, oh oui, je pense que ce n'est pas tard. Mais en 2017, c'est parce que c'est en 2016 qu'on s'est rendu compte des difficultés. Mais comme je l'ai dit, euh, je crois qu'il y a des dispositions qui sont, ont fait l'objet de cette révision qui, d'un point de vue, n'avaient rien à voir avec l'expérience qu'on a eue en 2016. Jafar Qu'est-ce qui est à craindre, à votre avis, en ce qui concerne le toilettage de ces textes, selon vous, que redoute l'opposition Bon, je pense qu'il faut, ce qu'il faut craindre ou ce qu'il y a à craindre dans ce genre de révision, c'est toujours euh, certains articles qui euh, prêtent à, à, une certaine facilité dans le maintien au pouvoir de, des autorités en place. Moi, je pense que c'est vrai, euh, ça fait peur en Afrique. Dès qu'on parle de révision de, la Constitution, il y a une psychose qui s'installe, même dans la mentalité des citoyens. Les citoyens lambda a horreur d'entendre la révision de la Constitution. C'est comme euh, dans le contexte des gestion politiques, quand on parle d'audit. Euh, les gens paniquent tout simplement parce qu'à travers l'audit, ils pensent qu'on va constater des mauvaises pratiques, alors que l'audit est pédagogique en gestion tu, tu, autorises même qu'on te fasse l'audit pour voir là où ça ne va pas, qu'est-ce que je dois améliorer. Moi, je pense que on est dans ce contexte-là, au niveau de, de, cette révision, c'est de voir, il y a un certain nombre d'articles euh, euh, qui ne facilitent pas la mise en application de, de, la loi électorale, puisque les lois électorales, il y en a trois, je pense, euh, sans être juriste, je ne me pas à rentrer dans les détails, mais ces lois-là ont besoin d'être harmonisées de part et d'autre. Vous savez qu'il y eu un moment où on avait des difficultés à faire le lien, à synchroniser le début d'un mandat des, députés à ceux qui doivent le remplacer. On a vécu aussi une situation où on avait des difficultés entre la fin du mandat des conseillers municipaux et le délai requis pour euh, organiser les élections. je pense que c'est des détails qui sont compris dans, ces dispositions à réviser. Mais il faut aussi faire très attention. C'est que je, trouve euh, imprudent de la part de l'opposition, même s'ils n'ont pas le, nombre nécessaire pour bloquer certaines euh, manœuvres qu'ils estiment être des fausses manœuvres euh, ou des manœuvres politiciennes de la majorité, c'est de dire qu'il faut être vigilant, c'est de veiller à ce que ça ne s'ouvre pas de brèche à autre chose. Il y a des sous-entendus dans chaque révision, puisque c'est une appréciation très technique des juristes. Donc l'opposition doit être là. Même si elle ne va pas voter, moi je pense qu'il faut qu'elle soit là au parfum de ce, du contenu de ces textes-là. Et parce que dans les révisions, on a des, on a des, des, des mauvaises expériences. Il y a des moments où on fait des révisions. On, on, on, élabore des lois, on les adopte à l'Assemblée, c'est dans la mise en application qu'on constate qu'il y a quelque chose qui vient avec. On, se rappelle euh, euh, de la Constitution de, de la 7 République. Vous savez que la Constitution de la 7 République, les constitutionnalistes l'ont dit, euh, elle a été violée à, plus d'une quarantaine ou je ne sais même pas de, nombre de fois, tout simplement parce que il n'y a pas eu la vigilance dans l'élaboration de la, de la Constitution de la 7 République. Tout simplement parce qu'il y avait un souci à contrecarrer, c'était un souci de verrouiller toute possibilité de, de faire ce qu'avait fait le régime de l'époque, de le régime de Tanja, c'est-à-dire de trouver une astuce pour euh, s'autoriser euh, la longévité au pouvoir. Mais on s'est perdu de vue que euh, en mettant l'accent sur euh, le blocage de toute issue de modification de, de, de l'article 42-41 qui permet euh, de, de, de, réviser le, le, le, mandat, le nombre de mandats. On a verrouillé la conscience à tel enseigne que beaucoup de juristes ont dit que le jour où le, le, le, le, président, le premier président de la 7e République devrait prendre fonction. Il fallait la violer pour l'installer parce qu'il y a tellement de, de des insuffisances. Donc c'est pour cela, quand il s'agit de la Constitution, il faut faire un débat important. Il faut, faire, il faut que l'opposition soit là pour vérifier le contenu. vous êtes euh, journaliste euh, à la Voix du Sahel. On sait que la session ordinaire de l'Assemblée nationale a clos ses travaux sans donner suite à la levée de l'immunité du député national Sidi Lamine et de la mise en accusation de deux anciens ministres euh, Ousmane Galadima et Lawal Sheib. Pensez-vous que le sujet s'arrête là sans suite puisqu'à l'ouverture de cette nouvelle session ordinaire, les dossiers à traiter, celui-là ne faisait pas partie oui, bon, avant, peut-être je veux rebondir par rapport à cette question de révision de la Constitution pour dire que euh, les uns et les autres l'ont dit, c'est le gouvernement, le président de la République, c'est vrai, c'est des prérogatives qui lui permettent justement d'aller vers l'Assemblée pour justement euh, euh, modifier certains articles. Mais je pense que euh, là où il faut vraiment déplorer euh, le comportement des uns et des autres, c'est que euh, moi je pense que même si on est au pouvoir, on veut véritablement changer, puisque de toute façon ça doit être transparent par rapport au, changement des articles et ça doit justement avoir l'aval de tous ceux qui sont des acteurs politiques. Mais je constate ici que le, le Conseil national des dialogues politique qui ne marche pas, c'était le cadre quand même idéal. Il fallait peut-être trouver un moyen de, en tout cas, d'appeler toute cette classe politique pour venir justement discuter par rapport à, au changement qui s'y et qui, ou qui ne s'y est pas. Mais je pense que quelque part, euh, le gouvernement a fait ces changements. Peut-être que c'est un galop d'essai. Peut-être qu'il y a d'autres, finalement, peut-être qu'on va dire, on va essayer de voir ce que ça va donner. Bon, puis s'il n'y a pas de reprobation, s'il n'y a rien, peut-être que je ne prête aucune intention à qui que ce soit, mais je pense que peut-être que c'est un essai. On va dire, bon, on essaie voir. Si ça passe prochainement, on va lancer d'autres. Et puis bon, comme ça, peut-être que les gens vont réviser la Constitution. Mais je pense que ce n'est pas bien. chacun, en tout cas, même si révision il y a, ça devait se faire de façon collégiale avec tous les acteurs de la classe politique. Maintenant, par rapport à la session de l'Assemblée nationale qui a clôturé ses travaux, je pense que euh, c'était un dossier, c'était une patate chaude qui ne pouvait pas peut-être trouver un dénouement au cours de cette session, puisque certainement euh, le gouvernement a un peu... Euh, le pouls de, ces députés, peut-être qu'ils n'étaient pas en odeur ou en tout cas qui n'étaient pas prêts à voter cette euh, levée d'immunité ou en tout cas de mise en accusation. Donc il est tout à fait normal quand vous voyez que eh, dans votre propre majorité ça peut être un problème, vous reculez un peu et puis vous la prochaine session peut-être que c'est on va laisser ça au calendrier grec ou peut-être on va ramener ça à la prochaine session. Mais l'un dans l'autre de toute façon on constate qu'il y a eu un recul. Le gouvernement n'a pourtant ça a été bel bien transmis à l'Assemblée, mais les dossiers ont été finalement décalés. Peut-être que, je ne sais pas, ça, <laughs> peut-être que vous aurez la réponse avec euh, les députés de la majorité. Pensez-vous que l'opposition va laisser passer ça non, c'est que si l'opposition ne participe plus aux travaux. Ils ont carrément arrêté d'aller. Et donc, même, ils ne vont jamais voter la levée d'immunité d'un député ou autre. C'est sûr qu'ils sont dans leur rôle d'opposants. Vous n'allez pas aller dans le sens de, du gouvernement, puisque quand on dit opposition, c'est toujours pour dire non. Même si l'autre fait du bien, vous dites non, non, non, non, nous, on n'est pas d'accord, c'est comme ça. Vous voyez les choses. On va passer à l'aspect juridique euh, de ce forum. Je le disais tout à l'heure, Ahmad Djibou Alidi Max, président du FRDDR, la coalition pour l'opposition est sous mandat du dépôt à la prison civile de Niamey depuis le 18 mai. Il est poursuivi en flagrant délit pour euh, complot contre l'autorité de l'État. Or, son avocat dit que cela n'est pas fondé car euh, son client est poursuivi seul alors qu'il faut plusieurs euh, personnes pour parler de complot. Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a examiné l'affaire le lundi 29 mai au fond. La délibération est prévue le 6 juin prochain. Que pensez-vous de cette déclaration de l'avocat Jafar de l'Indépendant Bon, il, est dans son rôle de, trouver les astuces juridiques euh, qui s'y pour contrecarrer euh, la peine que peut encourir son client. Mais l'un de l'autre, je pense que sur ces questions hautement euh, sensibles, il faut euh, demander plus de, de, rigueur et de la vigilance au niveau de, de la justice pour que le, le, procureur peut poursuivre. Le procureur est sous la coupe du, du ministère public. Il peut poursuivre, mais ce n'est pas forcément quand il poursuit qu'il a raison. Donc il appartient à la justice des tranchées au juge de trancher et c'est pour cela qu'il euh, il faut que le juge dans ce genre de situation où les esprits politiques euh, s'échauffent, ils ont toute une responsabilité à rendre euh, des décisions justes et équitables pour les citoyens. Je pense que on ne peut qu'attendre à, une décision juste qui puisse permettre de voir clair dans, dans, dans, dans ce feuilleton et d'ailleurs comme dans d'autres puisque je vous dis à chaque fois qu'il y a deux secteurs quand euh, les tensions politiques euh, montent qui sont en, épreuve, c'est les médias et les juges. Et c'est pour cela qu'on doit appeler à leur vigilance, on doit être de veille pour que dans ce genre de contexte, qu'ils puissent rendre le, euh, verdict le plus approprié conformément à la loi et non conformément au déshydratat de tel ou tel camp. Murtala de la Griffe, que pensez-vous de la vie du de l'avocat tout à fait normal hein, qu'un avocat euh, essaie de, de, de, tirer la couverture de son côté ou du côté de son client. Euh, mais maintenant, est-ce que euh, on peut parler véritablement de complot en poursuivant une seule personne euh, Je ne sais pas. En tout cas, dans la langue courante, celle le français courant, comme je connais, ce n'est pas possible. Mais peut-être que les juristes, nous diront le contraire. Mais tout compte fait quoi qu'il en soit, nous osons espérer que l'appareil judiciaire nigérien est en marche et il marche convenablement, une poursuite quelle qu'elle soit et va connaître le, le dénouement euh, qui lui convient, euh, qui lui convient en se basant essentiellement sur les éléments de preuve qui auront été produits devant euh, les juridictions donc euh, euh, cette affaire reste encore pendante. Donc euh, je crois que il faudrait peut-être laisser le temps au, tribunal de grande instance de Niamey, au classe de Niamey, de pouvoir statuer parce que il est un jugement au fond a été engagé. Alors attendons de voir ce qu'on va dire. Est-ce que peut parler de complot avec une seule personne? C'est coup de la voix d'Israël, votre avis Bon, c'est vrai que <laughs> le fait est là, il est en prison, c'est vraiment une personne âgée. Je pense que je regarde toujours ce côté. C'est vrai que c'est un opposant, mais les charges qui sont en tout cas portées pour le mettre en prison, je pense qu'elles ne sont pas véritablement fondées. Mais bon, c'est aussi la politique. Il a choisi la politique. Donc, euh, forcément, les gens sont, euh, ils vont toujours jouer à ce jeu. C'est normal qu'ils soient en prison parce que peut-être que euh, de l'autre côté, on pense que c'est un élément dangereux. Mais l'un dans l'autre, il faudrait que la justice se fasse. Parce que trop de frustration, trop d'injustice, ça crée le désordre. Et je pense que personne n'a intérêt qu'il y ait des autres. Je pense que vraiment, ils n'ont qu'à le laisser euh, aller se reposer. C'est une, c'est vraiment une vieille personne et que bon, c'est normal qu'il fasse sa politique. Donc vraiment, euh, moi je pense que les juges là doivent être euh, vraiment impartiaux et vraiment dire le droit, rien que le droit. À Agadez aussi a eu lieu hier le jugement d'Abdraman Insar, le secrétaire général du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme, section de la dite région. Incitation à la violence, c'est ce qui lui a été reproché après son interpellation le 14 mai dernier. Il était devant le juge euh, hier euh, jeudi et le délibéré est prévu pour le 8 juin prochain. Murtala de la Griffe, euh, lui aussi, est dans un cas semblable à celui de mars euh, parce qu'il est accusé d'incitation à la violence. Pensez-vous que dans ces deux cas, euh, c'est la liberté d'expression qui est mise à mal à chaque fois qu'un acteur politique, qui soit de l'opposition, euh, de l'autre côté aussi un acteur de la société civile, et se, sont euh, euh, inquiétés dans un pays, il va de soi que l'on pense, à tort ou à raison d'ailleurs, que la liberté d'expression ou la liberté d'opinion tout simplement est, est, quelque peu menacée. Mais maintenant, c'est des choses, euh, des, situations que l'on doit analyser, analyser au cas par cas. Alors, autant euh, pour le cas de, de je pense que euh, parler de complot, ce serait peut-être, on a peut-être mal qualifié les faits, et autant j'estime que de l'autre côté, avec Abdraman Insar, les propos qu'il a tenus, il les a tenus dans un contexte bien déterminé. Alors, euh, le procureur a estimé que ça va la peine d'aller jusqu'au bout d'une procédure judiciaire. Mais maintenant, est-ce que les juges vont aller dans le sens du procureur pour estimer que véritablement ce sont des, propos qui peuvent être qualifiés d'incitation à la violence On incite qui à la violence si, euh, le juge estime que c'est véritablement fondé hein, sur la base des preuves qui lui auraient été produites, alors là, euh, je crois qu'en tant que républicains, nous ne saurons que euh, nous, euh, nous féliciter peut-être d'une décision de justice qui aura été rendue. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un impact quand un acteur, un défenseur des droits humains, en même temps qu'un acteur politique, et de l'autre côté un journaliste qui soit à la fois en même temps devant les appareils de justice, on peut estimer qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas en train de marcher convenablement. Autre jugement attendu à Niamey, c'est celui de Baba Alpha, journaliste au groupe de presse Bonferré et son père, initialement accusé de faux et usage de faux en écriture publique. Le lundi au tribunal, son accusation a été requalifiée. À ce jour, il est accusé d'usage de faux et leur procès est attendu le 16 juin prochain. Secours de la Voix du Selon vous, pourquoi cette euh, requalification du chef d'accusation Y a-t-il euh, d'éléments nouveaux Bon, éléments nouveaux, ça, on ne saurait le dire, mais ce qui est étonnant et surprenant, c'était en tout cas faux usage de faux en écriture publique. Après, on dit usage de faux. Bon, finalement, c'est un jeu de mots que, dont seul le juge a le secret, parce que nous estimons que si on, on enlève, on requalifie, ça veut dire qu'il y en a qui ont été qui ont eu une liberté provisoire, c'est-à-dire qu'on ne va plus parler d'eux. Il, n'est pas seul dans cette euh, affaire. Ils sont au moins quatre, je crois, et les deux ont été, en tout cas, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire et ils sont en train de circuler dans la ville de Niamey. On les voit tous les jours. Donc, si on requalifie, ça veut dire que les deux là, définitivement, euh, eux ne seront plus inquiétés et qui ont peut-être fait les documents, ils ne seront plus inquiétés. Et je souhaite également qu'au cours de son procès, qu'il soit libéré parce que euh, derrière tout ça là-bas, on peut toujours dire que c'est la liberté d'expression qui est étouffée. Euh, dernier point dans ces affaires politico-judiciaires, c'est l'emprisonnement des personnes impliquées dans la supposition d'enfants alors que l'un des principaux acteurs est en exil. Quel sera le sort euh, de ces enfants avec des parents en prison, selon vous, Jafar de l'Indépendant On cesse de poser la <laughs> même question pour savoir euh, quel sort qui sera réservé à ces enfants. Je pense qu'ils ont le droit, tous les droits, prévue par la Constitution nigérienne. Donc j'estime que euh, dans ce contexte, ces enfants-là devraient être euh, pris en charge, même si dans le déroulé de ce dossier-là, on a oublié les droits des enfants-là, ont été carrément oubliés. Il y a même des termes qui, portent atteinte profondément à leurs à droits lorsqu'on utilise un certain nombre de termes des, bébés importés. Et je pense qu'ils méritent qu'on les traite avec, euh, avec humanisme. Et c'est pour cela, je pense que les dispositions, normalement, au niveau de la justice, il y a ce qu'on appelle les juges de mineurs. Le juge de mineurs devrait garantir, il a pour mission, entre autres, de garantir aussi, euh, de protéger ces enfants-là et de les sécuriser. Les sécuriser passe d'abord par la prise en charge et le temps que leurs parents vont passer euh, en prison, qu'il y ait un regard sur leur, euh, leur vie. Mais je ne pense pas que ces dispositions-là euh, soient été prises. Sinon, il les mérite quand même. L'autre aspect qu'on peut dire, je pense que les dispositions euh, judiciaires sont claires au Niger sur la détention, le droit, les liens qu'il y a entre euh, un enfant et son parent lorsqu'il est détenu en prison. C'est peut-être l'occasion de poser le débat sur les droits des enfants dans le contexte d'incarcération de leurs parents. Pour le cas de ces, de ces enfants-là, Vraiment, ils ont été oubliés sur tout le processus. C'est peut-être l'occasion de leur rendre justice et de, revoir, ne serait-ce que même une plainte contre X pour réhabiliter ces enfants-là dans, dans leurs droits. Mais pensez-vous qu'après avoir purgé leur peine, les enfants-là vont retourner dans ces foyers-là encore ah, Apparemment, la justice n'a rien dit. La justice a tout juste réprimé l'acte des parents. Elle n'a pas, euh, elle n'est pas allée au-delà pour savoir ils appartiennent à qui, d'où viennent-ils. Je pense que c'est une manche de, débat qui n'a pas été suffisamment encadrée. On a tout juste mis l'accent sur la répression de l'action des parents. Et c'est peut-être là un autre débat à poser, mais je pense qu'on n'en est pas là. Le plus important, c'est qu'on euh, on a estimé que leurs parents sont en faute, ils ont été sanctionnés, ils ont le droit maintenant de, de, de, garder ces enfants-là. Puisque même si on décide de les, de, les séparer de ces enfants, à qui on doit les remettre C'est ça la question. Est-ce qu'ils auront des de maisons d'accueil ou des centres d'accueil plus approprié que là où ils sont aujourd'hui. Le temps qu'ils ont pris avec ces parents-là, quand on essaye de les reprendre, c'est que ces, enfants aussi sont devenus, ils se sont familiarisés avec ces enfants. D'ailleurs, ils ne connaissent pas d'autres parents que ceux-là. Donc, je pense qu'il y a toute action tendant à les séparer de ces enfants, je pense que porterait plus préjudice euh, à ces enfants, à ces petits enfants. Mortala de la griffe euh, quel est votre avis, ouais, l'avenir euh, de ces enfants Comme l'a rappelé Jafar, il a été occulté carrément la question de l'intérêt des enfants durant tout, le procès. Et malheureusement, nous autres acteurs des médias avons contribué énormément aussi à ajouter, à causer ce préjudice à ces enfants. Euh, il y a un principe en droit qu'on doit tenir de l'intérêt de l'enfant quand on traite Maintenant, quand on parle de parents, mais de quels parents ces, ces personnalités qui sont, pour certains, sont en train de purger une peine pour supposition d'enfants donc selon la, décision de justice, ils ne sont pas les parents de ces enfants. Alors maintenant, au civil, euh, alors les Jafar ont un peu soulevé la question, ce sont des enfants de qui Où est-ce qu'on va les remettre Quand vous me condamnez pour dire que je passais un enfant qui n'est pas mien pour mien, alors ça, il va de soi que vous me retirez l'enfant. Alors euh, est-ce qu'il euh, faut encore une autre action par le ministère public pour que la justice nigérienne se prononce de façon officielle Mais en tout cas, à l'appréciation de la décision au pénal, ses parents ne peuvent plus se targuer d'être les parents de ses enfants. Mais, et, comme je l'ai dit, la question de l'intérêt de ses enfants, elle doit être euh, traitée. Et pour qu'elle soit traitée, je crois qu'il faut qu'elle le soit, et surtout avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vigilance, parce que euh, c'est, quand même des êtres euh, qui sont là, et ce sont des, la question de, l'avenir, de toute la vie en société de ces êtres qui risquent d'être entachés. C'est coup de la voix du Sahel, votre avis on aurait aussi pu quand même euh, faire un procès par rapport à ces enfants-là. Est-ce qu'il va falloir, puisqu'on a supposé que ce n'est pas leurs parents, donc est-ce qu'il euh, il faut les renvoyer là d'où ils viennent Est-ce que personne ne sait également d'où ils viennent Parce que euh, jusqu'à preuve de contraire, on n'a jamais vu quelqu'un qui est venu dire que c'est son enfant. Donc véritablement, on a occulté ce sujet. C'est vrai que les enfants, ils vont peut-être garder prison en même temps que, bon, surtout les femmes qui ont ces enfants-là, elles vont aller certainement avec leurs enfants en prison. Et puis bon, on va voir comment ça va se passer. Mais, mais quand même, le juge, lui, l'a condamné sans pour autant véritablement eh, regarder ou vouloir régler le problème, puisque ce n'est peut-être qu'il se dit que ce n'est pas de son ressort de régler. Peut-être c'est une autre manche, euh, c'est peut-être un autre procès qu'il faut ouvrir pour régler ce problème des enfants. À présent, nous allons aborder la question de l'insécurité qui s'installe progressivement dans la région de Tilaberi. Cette région dont plusieurs départements sont en état d'urgence depuis déjà plusieurs mois à cause de la récurrence des attaques perpétrées par les bandits armés. Rien que ce mercredi, la ville d'Abala a été la cible d'une attaque d'hommes armés faisant six morts côté forces de défense et de sécurité, une personne portée disparue, des voitures et armements emportés. Jafar euh, de l'Indépendant, on constate que dans la plupart de ces attaques, ce sont les forces de l'ordre qui sont visées. À votre avis, quelles raisons pourraient pousser les bandits à s'en prendre à ces postes On est dans un contexte euh, de guerre asymétrique. Ces combattants-là, ils connaissent déjà l'endroit où ils vont frapper et peut-être ils ont même vécu avec vous, ils vous ont analysé tout et ils savent euh, vos pratiques de faiblesse qu'ils peuvent exploiter. C'est que de tout temps, c'est les forces de l'ordre qui l'attaquent. Ce qu'il y a de différence aujourd'hui, c'est qu'ils viennent directement attaquer des positions de forces de l'ordre. Alors qu'ils procèdent par le passé par des, euh, des stratégies de, de pose de bombes et autres, et après, ils essayent de, de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Maintenant, ils viennent attaquer avec euh, une stratégie plus ou moins militaire, venir attaquer une position et essayer de, de tenir le maximum et même de, la mettre hors du mur et prendre leur matériel, ça veut dire que euh, ces terroristes-là sont déterminés. Ils sont déterminés, comme vous voyez, et la récurrence, c'est toujours le nord Mali. Ce Abala, c'est pratiquement le Mali. Et à partir de là, moi, je comprends quelque chose. Les forces françaises qui sont au Niger, il y a un, un intérêt important pour nous et pour eux-mêmes qu'ils retournent à Kidal. Parce que c'est là où toute cette euh, horde ordre des de terroristes qui nous viennent euh, attaquer nos positions, ils nous viennent du Mali. Et on sait d'où ils viennent. On a une ville, un État qu'on a créé des terroristes, des trafiquants, encadrés par la France, qui s'appelle Kidal. Et tant qu'on ne prend garde par rapport à Kidal, tant qu'il n'y aura pas l'armée française, ou puisque l'armée malienne apparemment ne peut plus, ce n'est même pas apparemment sa priorité, de venir s'installer à Kidal. Moi, je pense qu'il appartient à la force Berkane et la force qui se trouve vers Madame Allah de retourner à Kidal. C'est là où ils sont vraiment importants pour nous. Parce que c'est de là-bas où on attaque le Niger. On constate que les dernières attaques nous viennent du Nord Mali. Du Nord Mali où Il y a là où il y a les forces coalisées qui luttent contre les djihadistes. Mais il y a une localité. On sait qu'aujourd'hui, à partir de Tombouctou, il n'y a que des petites attaques sporadiques des petites incursions à l'interne du Mali. Mais aujourd'hui, on sait qu'on n'a aucun contrôle sur les terroristes qui rentrent et sortent de Kidal et qui peuvent venir attaquer, prendre les munitions de, de, nos militaires et retourner s'asseoir à Kidal parce qu'on ne retrouve pas leurs traces. On a même des avions qui circulent. Parce que tout simplement, tout mouvement vers Kidal est protégé. Et si tout mouvement vers Kidal est protégé, ça veut dire qu'on peut sortir de Kidal, frapper euh, dans nos villes et retourner à Kidal. Et moi, je pense que la meilleure solution pour régler les attaques que nous recevons du Nord Mali, il faut déloger les forces à Kidal. On a créé un État de terroristes et de trafiquants à Kidal et nos forces payent le prix. Et quel est l'intérêt de leur présence chez nous Si c'est pour prendre l'avion, circuler à l'air, ça ne sert à rien. Moi, je pense que la meilleure option, il faut dégager tout débat par rapport à la question du terrorisme. les stratégies, les échanges d'informations, le, la mutualisation de renseignements, tout ça, ça n'a aucun effet tant qu'on laisse Kidal aux mains des groupes armés. Euh, Murtala de la Griffe, euh, on se pose aussi la question est-ce que ces attaques sont des œuvres de djihadistes ou bien de rebelles euh, on a du mal à distinguer les deux parce que aujourd'hui ils sont quelque peu imbriqués. Les djihadistes, ce sont les mêmes qui aujourd'hui revendiquent une certaine indépendance sur une partie du territoire malien. Pour moi, c'est la même chose. Les deux, les deux groupes euh, poursuivent des objectifs similaires, identiques. Je voulais faire remarquer ce que dans toutes ces attaques sur les positions de nos forces armées, dans cette partie, c'est l'effet de surprise à chaque fois, il y a quelque peu, euh, nos éléments sont pris par surprise. Alors, s'ils sont pris par surprise, sont attaqués par surprise, c'est que par quelque part, ils ne disposent pas des informations sur les mouvements de ces troupes. Et dans une zone où, quand même, euh, Jafar l'a rappelé, et nous sommes censés avoir euh, des, gros yeux qui sont censés nous donner la position et les différents mouvements dans cette zone. Soit ces informations sont transmises et entre le cheminement de, l'état-major aux éléments au, peloton sur le terrain, et les informations se perdent ou n'arrivent pas à temps, ou bien quand même euh, ces gros yeux ne nous servent à rien. Il faut se poser cette question aussi. Je m'interroge aussi sur euh, la collaboration entre nos forces de sécurité et les populations locales, parce que les mouvements dans ces zones, euh, personne ne peut passer sans qu'il rencontre un berger, un, paysan dans son champ. Alors la collaboration avec ces, ces populations locales peut peut-être permettre à nos forces de défense et de sécurité de disposer de certaines informations sur les mouvements des adversaires bien avant que ces ennemis ne viennent leur prendre par surprise. Alors, et tout ça, euh, c'est quand même, on dira, c'est des, des, discours parce que, entre-temps, des familles continuent à être endeuillées. Entre-temps, des familles continuent, des mamans continuent à pleurer leurs enfants et des femmes à pleurer leurs époux. Est-ce qu'on va leur servir toujours ces discours pour leur dire, nous sommes en train de remporter des batailles, patientez, on va gagner la guerre mais entre-temps, combien de familles auront été endeuillées C'est la question qu'il faut se poser de mon point Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que cela peut être dû à l'impudence des soldats euh, à certaines heures euh, Oui, cela est bien évidemment possible, mais il ne faut pas aussi occulter euh, d'autres aspects qui peuvent faciliter, cette situation tous les éléments ne sont pas imprudents. Si on dit que euh, un groupe a été imprudent, ils ont perdu la vie, ils ont péri, mais tous ces groupes qui sont en train de, tomber sous, les balles, sous les coups de, ces assaillants, ne sont pas imprudents forcément. Alors qu'il faut chercher la solution ailleurs. Ces coups de la voie du les attaques euh, se font et se poursuivent dans cette région du Tilaberi. Quelque part, est-ce que les autorités sécuritaires mettent les moyens nécessaires pour que les soldats puissent se défendre vraiment à armes égales devant ces batailles Bon, euh, est-ce que moyen, ça, bon, vous savez, c'est secret défense. Généralement, on ne vous dit pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'un dans l'autre, moi, nous, on a remarqué que depuis ces, que ces histoires de bases qui sont venues s'installer au Niger, on a remarqué la recrudescence de, justement de ces attaques. Euh, c'est vrai, il y a deux mois de cela, euh, Bani Bongo et Wallam ont été attaqués, vous vous en souvenez sans doute, et que on a pris au moins 80 ou combien de soldats français pour aller au moins aider dans le renseignement et tout ça là. Mais aujourd'hui, tout ça là, ça, devient quoi est à dire que et je l'avais dit sur cette même antenne que euh, ce n'est pas la bonne formule. Il faut peut-être laisser. Moi, je pense que euh, dès, la présence même des, Français, je crois que ça, ça pousse justement les extrémistes à venir attaquer les pays. Avant, les attaques n'étaient pas récurrentes, mais depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils mettent leurs drones qu'on ne voit même pas, on ne comprend rien de ces histoires de défense parce que on nous dit qu'ils ont du matériel, ils ont des drones, ils ont ceci. Mais pour autant, est-ce que ces drones-là, mais les gens qui ont quitté, en tout cas le Mali, je ne sais pas si c'est à Kidal ou c'est euh, où, en tout cas, pour prendre la bande, forcément quand même, si c'est des drones qui, des drones, on suppose que ça voit. C'est pas une histoire de moyens, c'est pas une histoire de, force. Non, non. Il faut qu'on laisse, il faut qu'on laisse nos soldats euh, venir et nous défendre nous-mêmes. Quelqu'un ne peut jamais venir d'ailleurs pour vous défendre. Et la preuve, elle est là tous les jours. Chaque deux semaines, chaque un mois, vous avez des attaques meurtrières. Est-ce que ça va continuer comme ça Je pense qu'il faut trouver la formule. Il faut forcément eh, remettre tout à terre et puis, bon, aller sur de nouvelles bases. Laisser l'armée nigérienne quand même défendre son territoire. À présent, nous allons parler sport euh, dans ce forum euh, avant de le clôturer. Le MENA est rentré le mardi après-midi du Gabon où elle a pris part à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Certes, il n'avait pas eu de place euh, sur le podium, mais les cadets ont quand même fait honneur à notre pays avec la quatrième euh, place et surtout pour avoir décroché une qualification à la Coupe du Monde de la même catégorie qui se tiendra en Inde au mois d'octobre prochain. Secours de la Voix du Sahel pourquoi cette euh, qualification au mondial était-elle le premier objectif euh, des dirigeants du football nigérien Oui, c'était un objectif parce que quand vous arrivez à ce genre de compétition, et c'est quand même U17, euh, c'est des jeunes de 17 ans qui sont là, qui doivent justement faire cette compétition. Et l'objectif, c'est vrai, parce que quand vous êtes dans le dernier carré, vous êtes automatiquement qualifié. Cela vous donne droit à aller à la Coupe du Monde. Donc c'est pourquoi, comme objectif, les, dirigeants de la fédération ont dit, bon, nous, notre objectif, c'est d'aller à cette canne et c'est au moins d'être parmi les quatre premiers. Et aujourd'hui, c'est un objectif. Maintenant, on vise la Coupe du Monde. Et je pense que c'est quand même, ce n'est pas rien. Ça n'a jamais été d'art en tout cas, pour nous, d'aller à une Coupe du Monde, maintenant, ça y est, on, est, on va aller, Inch'Allah, oh, le Niger va participer à la Coupe du Monde, l'hymne va retentir en Inde. Et je pense qu'il faut saluer, en tout cas, les efforts de, de la FENIFOOT, les efforts du gouvernement qui a également mis les moyens pour permettre à cette équipe de se préparer conséquemment pour aller justement arracher cette place de, de quatrième à ce tournoi U17 de la Cannes Gabon 2017. Jaffa de l'Indépendant, comment expliqueriez-vous cette performance décadée à la U17 Je pense qu'il faut saluer euh, les centres de formation. <coughs> J'aurais voulu peut-être euh, entendre entendre Sekouberi sur euh, la, provenance de ces jeunes cadres, de ces jeunes joueurs, jeunes talentueux. Ils ont fait leur preuve, ils ont déroulé un football très technique, très moderne, mais quand même, ça montre que le Niger est en train de, de créer les conditions pour que les jeunes puissent pratiquer le, le, football de qualité. Et moi, je dirais que euh, c'est déjà un bon signe pour, euh, pour les centres de formation. Ça veut dire qu'un travail a été fait en bas. Et ce travail-là doit continuer puisque ces jeunes-là auront à défendre euh, valablement le MENA, peut-être le MENA senior plus tard, mais il faut aussi continuer à préparer les relèves. Le MENA, lui, n'a jamais atteint ce niveau de compétition pour les fois où il a participé à la Cannes. Murtala de la Griffe, comment comprendre cet écart de performance ou de niveau Est-ce un problème de coaching ou de conditions d'entraînement Brièvement, deux minutes. Alors, euh, d'abord, euh, je dis, euh, il faut voir qu'au niveau des seniors, le, niveau est plus relevé. Peut-être. Kouveri, peut-être confirmera ce que je viens de dire. Le niveau est plus relevé et donc euh, euh, que notre championnat n'est pas aussi euh, assez n'a pas n'a pas un niveau assez relevé pour pouvoir rivaliser avec les autres équipes. C'est peut-être pour cela que niveau senior notre équipe n'a jamais franchi ce cap. Mais au niveau des, des cadets. Je crois que euh, le Niger, euh, certes, c'est la première fois que nous arrivons jusqu'au dernier carré et on une qualification, mais cela a une histoire avec quand même euh, les dernières compétitions auxquelles le Niger avait participé. Déjà à cette époque, on sentait qu'il y avait une pépinière qui était là. On avait du potentiel qui, dans quelques années, pouvait nous permettre de, gravir les échelons. Et c'est ce qui fait aujourd'hui. Euh, la question du talent, elle ne se pose même pas. Le talent, il est là. Les jeunes, ils ont joué libéré, ils ont fait les, efforts qu'ils ont fait, et qu'aujourd'hui, c'est grâce à cela qu'aujourd'hui euh, nous, nous arrivons à obtenir cette place pour le mondial. Maintenant, c'est peut-être à l'encadrement technique et aussi aux politiques aujourd'hui cette fois-ci de pouvoir euh, produire ou donner à ces jeunes, jeunes talents euh, l'encadrement nécessaire afin qu'ils puissent euh, euh, réussir une autre prouesse à la Coupe du Monde. Pourquoi pas Parce que ils ont fait, ils ont produit les résultats qu'ils ont produits, les conditions que l'on sait. Donc, si on les met peut-être dans des conditions meilleures à la Coupe du Monde, nous aurons peut-être un autre résultat à mettre dans le palmarès de l'équipe nationale. C'est coup de la Voix d'Israël, brièvement, avez-vous quelque chose à rajouter Oui, par rapport à cette équipe, c'est vrai, euh, Jafar demandait la provenance. C'était, ils sont partis d'un tournoi qui a été organisé, qui a été financé par RTL Jeune Salah. Donc, c'est véritablement des enfants du pays, de tous les coins du Niger ont été recrutés et qui sont présentement depuis plus de 6-7 mois, ils ont été scolarisés au niveau d'une école euh, privé privés, Bédir. Ils sont au centre technique national, ça fait plus de six mois. Ils sont nourris, ils sont logés, ils sont en tout cas transportés pour les cours. Donc, euh, véritablement, l'objectif, ce n'est pas seulement cette U17, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Niger organise en 2019 la Coupe d'Afrique des Nations U20. Donc l'objectif, c'est de les garder pendant au moins deux ans encore, deux ans supplémentaires pour justement représenter le Niger à cette Coupe d'Afrique U20. Donc l'objectif, la Cannes, c'était euh, un objectif, c'est arrivé, ils se sont qualifiés, ils ont battu le Nigeria, ils ont battu le Gabon pour se qualifier. À la Cannes, ils ont en tout cas occupé la quatrième place. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde, mais ce n'est pas Là, c'est un palier de plus. L'objectif, c'est quand même d'aller, mais ce n'est pas pour prendre la coupe pour le moment. Et si on doit prendre la coupe, il y a justement un réglage qu'on doit faire au niveau de l'encadrement, au niveau des joueurs. Il faut peut-être renforcer certains secteurs. Je pense que l'un dans l'autre, est euh, et aussi les moyens. Mais je, pense notamment que l'État va tout mettre en œuvre pour que ces jeunes, quand même, fassent une bonne prestation à la Coupe du Monde. Et si déjà ils arrivent à huitième de finale, ils arrivent euh, en Coupe du Monde à huitième de finale, c'est une prouesse parce que là, véritablement, c'est le gotha du football mondial, c'est la crème et ça va être extrêmement difficile. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'ils eh, sont sur la bonne voie et ça va permettre justement d'ici deux ans, trois ans, quatre ans maximum que ces jeunes-là montent pour quand même faire une équipe, euh, une ossature euh, véritablement euh, nigérienne qui va quand même défendre. Et peut-être qu'on va oublier les défaites qu'on a en interne dessus avec les seniors. À chaque fois, les visages renfroignés, on sort des stades parce qu'on n'a pas de résultats. En tout cas, on le souhaite euh, vraiment. C'est sur ces mots de sport que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 2 juin 2017. Euh, nous étions avec Murtala Mamadou du journal La Griffe, Jafar Maman du journal L'Indépendant. Et c'est Kouberi Ibrahim, journaliste à La Voix du Sahel. Nous vous remercions d'avoir honoré de votre présence. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangou. Prochain rendez-vous lundi à 18h15 avec une autre thématique. Au revoir et bonne rupture de jeûne.